ce forum euh, entre dans le cadre de l'organisation des 72 heures de Khor, portée par le conseil des quartiers qui, a, qui est à sa troisième édition. Mais euh, nous sommes venus en tant qu'agence euh, régionale de développement pour appuyer, en rapport avec bien sûr l'ADC, pour appuyer donc le conseil des quartiers à organiser donc ce forum qui est marqué par ce matin déjà par disons un panel euh, au cours duquel donc, nous avons discuté sur des questions d'intercommunalité, c'est-à-dire quelle est la place des acteurs communautaires ou des organisations communautaires dans la promotion de l'intercommunalité, mais aussi sur un point essentiel qui, est, euh, qui, a, qui a trait aux investissements qui sont en train d'être faits dans le quartier, notamment la Banque centrale qui est en train d'être construite, euh, la SONES e qui a son siège ici et d'autres promoteurs privés qui sont installés. Comment vraiment euh, euh, mettre en relation donc, le conseil des quartiers et ses structures pour pouvoir vraiment bénéficier de leur accompagnement, de leur appui. Euh, ces, journées aussi ont été accompagnées d'une foire pour marquer un peu cette place des communautés à, la promotion de l'intercommunalité. une foire durant laquelle donc, des groupements ont exposé des produits locaux. Mais l'innovation, c'est que les groupements qui sont présents euh, viennent des différentes, euh, communes euh, du département de Saint-Louis. Et il y a une particularité, il y a une commune du département de Dagana, notamment la commune de Ronc, où des femmes braves fabriquent du charbon à base de TIFA, donc le biocharbon. Elles sont venues exposer. Et le but, c'est que au final, ces groupements vont se retrouver dans une salle pour échanger, dégager des modalités et des stratégies, pour échanger des produits, mais aussi mettre en place un réseau et essayer ensemble, avec l'appui euh, des personnes ressources expérimentées, notamment Adja Nyane euh, Madame Koumba euh, qui sont des femmes très expérimentées qui accompagnent les groupements, euh, qui vont les appuyer pour que leur capacité soient renforcées, pour que leurs produits puissent être vraiment valorisés afin d'être proposés dans les, dans les rayons. Mais derrière également cette activité, il est attendu le maintien de la dynamique à travers d'autres foires qui vont être organisées maintenant à tour de rôle chaque mois ou chaque bimestre dans un quartier de Saint-Louis euh, et plus tard dans une commune du département et pourquoi pas dans, dans une autre commune de notre département. D'ailleurs, lors des échanges, il y a le groupement de femmes de Ronc qui s'est porté volontaire pour dire que, étant enclavé, elle souhaiterait vraiment organiser des activités pareilles afin d'échanger des expériences, mais aussi des produits pour pouvoir vraiment commercialiser entre elles, mais aussi échanger des expériences pour améliorer afin de sortir les produits hors de Saint-Louis. Et je pense que c'est ça qui est la valeur ajoutée qui est attendue à travers ces activités. Euh, forum bi a organisé ce cadre cadre week-end culturel bu nous jël initiative di organiser pendant trois ans bi la troisième édition bi lu jublu ci rek que euh, ba vraiment suñu communauté di compter sur ses propres forces pour dem de l'avant Nous ñun xor en fait euh, il ne faut pas compter sur les autres, il faut d'abord vraiment faire des efforts pour essayer de régler soi-même ses propres problèmes Et que qui fet depuis trois ans Nous, chaque fois que nous nun fait ARD forum Malheureusement, malheureusement Covid bi moom un programme mais cette année nous avons réalisé ba que avec vraiment l'aide de mon ami de mon confident de mon conseiller Abdourahmane Gueye je dois dire que le me réalisé fi presque si xor à 90 pour moni ami, moni ami, ay partenaires mon ami, forum mom monu xelal ci foire bi aussi surtout ci foire bi mom mom moo ci gëna pousser poussé moom moo ñu vraiment fital pour nous def ko mu duggal ci loxam bu baax nak ndax ku déglu tay ji intervention femme yi nga xamni ni donc c'est lui qui a tout fait moi j'étais occupé par les problèmes d'organisation am moment jot pour vraiment def yenn ki yépp moko def invitation yeeg yépp moko def donc nous koy remercier au passage que vraiment suñu xamanteeg mom vraiment reçu ko bon ils habitent tout près mais vraiment ils jouent un rôle très important forum bi nak lu organiser parce que nous gis ni dafa jot que quartier bu melne que Xor ñu bari wax nañ ko fi am potentialité énorme énorme je dis énorme sur le plan économique mangrove baa fi ki baa fi ki baa fi maraîchage fi bon yeneen entreprise yu bëri noo ngi fi eh, te ba léegi on ne parvient pas à régler nos problèmes c'est pas normal am fi nag des personnes ressources de qualité gis ku gis Baba Ba bi c'est un fils de xor moom rek laay cité Sidi Dieye yi ngi nii Kërëm a ngi nii soo gisee sont des acteurs économiques de premier plan ñoom ñëpp noo ngi dëkk xor mais avec ce potentiel là c'est pas normal ñuy wax ñun du ñu tàllal loxo ay maire rek yu kenn xamul man loolu gëmuma ko lii ñuy def dërëmu mairie dugg si deureum mairie dugg ci c'est la population qui a appuyé ak Abdourahmane bi ñun noo appuyé deureum la wax deureum dugg ci te ça fait soko calculer dem na borom ay millions wala lu ko jot donc moi je pense que si on continue cette dynamique là ak ñom Kumba jàppale euh ñom directeur ADC jàppale nu suñu président euh, jàppale nu madame Ñaaña jàppale euh madame Abibatou Mbaye jàppale nu je pense que nous soxla que personne du jàppale ñun nooy demal suñu bopp et man dama ko gëm dama ko gëm la ma gëm mooy vraiment aller sur le terrain décrocher des choses ba xaar nu lay jox da ngay dem jëli ñëw réaliser la ngay réaliser man loolu laa gëm te noonu laay fonctionner ku ma xam fii si xor noonu laay fonctionner duma xaar ma sàmba duma xaar ma demba si dara merci